le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème problématique de la non-assistance à personnes en danger cas des accidents, agressions et vols récurrents au Niger. La non-assistance à personne en danger consiste à s'abstenir de porter secours à quelqu'un qui est en détresse. Cette abstention est punie par la loi dans beaucoup de pays. La personne en danger est celle qui fait face à un péril grave et imminent. Ce péril doit menacer sa vie ou son intégrité physique et doit être connu des personnes susceptible susceptibles d'être accusé de non-assistance à personne en danger publié sur le site officiel de l'administration française. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre ce phénomène au Niger, ce qu'il explique et ce que disent les textes. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Amadou Alishina Kourgeni, magistrat et secrétaire général de la Commission nationale des droits humains. Amadou Alishina Kourgeni, bonsoir. bonsoir. Bonsoir. Et Soumaïla Abdou Sadou, administrateur civil et enseignant. Soumaïla Abdou Sadou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mokhtar. Nous avons également invité un sociologue qui n'est malheureusement pas sur ce plateau pour des problèmes de santé. Au micro, Mokhtar Hamadou. Avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, écoutons d'abord euh, Dr Karadji Suleiman, responsable du service d'aide médicale euh, d'urgence SAMI. Il n'est pas interdit de secourir euh, des victimes. C'est même euh, recommandé. Il y a une disposition du code euh, pénal, en tout cas, qui condamne la non-assistance à personne en danger. Ne pas citer quelqu'un sous prétexte qu'il faut forcément les sapeurs-pompiers ou le SAMU, c'est un peu abusé. Qu'est-ce qui se passe En fait, les gens, je pense, hein, sont un peu craintifs par rapport à ce qui pourrait être leur journée lorsqu'ils vont décider d'assister quelqu'un qui est en détresse, notamment en parlant des accidentés. Ce qu'on dit, c'est que, en fait, il faut apporter secours, mais en connaissant certaines règles simples. C'est-à-dire, il faut faire attention quand quelqu'un est dans le coma ou bien quand il a l'air de ne pas pouvoir bouger les membres, de faire attention à ne pas aggraver une situation. Mais ça ne veut pas dire de ne pas le toucher, c'est de le faire avec des précautions. En aucun cas, on ne peut laisser quelqu'un sur le goudron en train de saigner. Ça, c'est pas possible. Je ne pense pas que ça soit possible qu'un agent de santé puisse refuser une admission sous prétexte que c'est pas le SAMU ou les pompiers qui ont amené la personne. Par contre, les gens craignent des désagréments. Genre, euh, tu es interrogé par le gendarme qui est là. C'est normal parce que un accident, ça peut souvent être mortel. Ou même les blessures qu'infligent ces accidents aux personnes victimes doivent faire l'objet d'une enquête judiciaire. Donc, c'est normal que l'agent de la gendarmerie ou tout autre officier de police judiciaire qui est là puisse poser des questions pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment, quand, etc. C'est tout à fait normal. Les gens ont aussi peur qu'ils ne soient obligés de participer aux soins, en train d'assister à un recul de la solidarité. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas de loi qui interdit d'apporter secours et même au besoin, S'il n'y a plus de secours disponibles, de transporter le blessé à l'hôpital par vos propres moyens, c'est pas interdit Amadou Alishina Kourgueni, qu'est-ce que c'est que la non-assistance à personne en danger et qui dit la loi à ce sujet Merci Mokhtar. Je profite du micro que vous m'offrez euh, pour euh, féliciter une fois de plus encore Radio Kalangou pour ce genre de forum qu'elle organise parce que ça permet de sensibiliser, d'informer l'opinion. Et ce partenariat, nous l'avons tissé ensemble parce que ça fait partie du mandat de la Commission nationale des droits de l'homme qui est celui de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. À travers la promotion, il y a justement ces genre d'émissions qui vise à informer, à sensibiliser l'opinion pour un changement de comportement. Vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que c'est que la non-assistance à personne en danger. Euh, c'est une notion de droit pénal. Le lexique des termes juridiques définit la non-assistance à personne en danger ou l'omission de porter secours, qui est plus facile à comprendre, comme étant une infraction réalisée par le fait de s'abstenir, comme vous avez dit tout à l'heure, et comme l'a dit docteur euh, Suleiman Karadji que je, salue au, passage, qui est un ami, un frère. Donc c'est le fait de s'abstenir Abstenir volontairement de porter à une personne en péril l'assistance dont elle a besoin et qu'il est possible de lui prêter sans risque pour soi-même ni pour les tiers, soit pour soi-même ou pour les tiers, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, c'est-à-dire soit même on peut aider, ou alors on provoque un secours, c'est-à-dire le fait d'appeler le, 18, par exemple, oh, tout le 18 ou bien le SAMU, etc., pour qu'il vienne euh, réagir. Alors, ce que dit maintenant le code euh, pénal, puisque vous m'avez posé la question, c'est que nous allons retrouver les dispositions de l'article 188 du code pénal, qui dit ceci. Bon, je vais prendre juste les deux premiers alinéas, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Le Code pénal, en son article 188, dit, je cite, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende, donc je dis bien six mois à trois ans, donc c'est dans cette fourchette-là, et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs, ou l'une de ces deux peines seulement, quiconque, Borakul Kano, pouvant empêcher, il pouvait empêcher, soit par son action hein, immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime ou délit contre l'intégrité corporelle, s'abstient volontairement de le faire. Ce premier volet, c'est ce dont vous avez relevé dans vos propos liminaires là, s'agissant par exemple des agressions. Quelqu'un est en train de se faire agresser, et puis les pickpockets. Euh, voilà, et j'observe surtout par exemple une pauvre dame, une vieille maman de 70 ans, qui a son sac à main en train de, marcher sur le trottoir. Et le cas est flagrant et fréquent aux abords de Katakou, Mauré et autres. Et on observe et on prend son cellulaire, on se met à filmer. Bon, il faut aller au cas par cas parce que euh, on pourra revenir le temps que vous donniez la parole à mec-là, mon mhm. frère. On pourra revenir parce qu'il faut prendre les choses au cas par cas. Mais permettez-moi de juste de rappeler maintenant le, la allez, linéa 2 allez y je vais m'arrêter là. La 2 du, de l'article 188 du Code pénal dit ceci sera puni des mêmes peines, donc les mêmes peines que j'ai évoquées tantôt, mhm. sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement à Wangi, Yakia de porter à une personne en péril, comme vous l'avez dit, l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui porter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Donc ça, c'est le deuxième cas dont vous avez parlé s'agissant du cas des blessures involontaires ou des, ou des, agressions involontaires. C'est-à-dire lorsque quelqu'un a été euh, tamponné par une voiture ou une moto, il est tombé mhm. et euh, vous, vous regardez. Vous regardez. Ça aussi, on va aller au cas par cas parce que, comme je dis, prenons les choses au cas par cas parce que ce n'est pas dans tous les cas. Pour qu'il y ait une infraction caractérisée, constituée établi, il faut un certain nombre d'éléments constitutifs. S'il y a un de ces éléments qui manque, on ne saurait parler d'infraction à la loi pénale. Amadou Alishina Kourgeni, comment se fait-il que les citoyens nigériens n'ont pas connaissance de toutes ces lois-là Moi, je me dis, euh, Mokhtar, le droit que, vous voyez, malheureusement, le sociologue n'est pas là, mais j'essaierai de jouer les deux rôles. Mhm, allez-y, allez-y. Je vous ferai un peu de la philosophie ou de la sociologie. Mhm, allez-y. Le droit, quand vous regardez ses fondements, ses racines, ses origines. Quand on fait une, une sorte d'exégèse du droit, c'est comme la morale. Il y a là des endroits où le droit lui-même, en tant que règle établie par la société, et les règles morales se rejoignent, y compris les règles religieuses. Il y a des moments où elles vont ensemble, elles regardent dans la même direction. Il y a des moments où elles divergent. En l'espèce, elles regardent dans la même direction. Ninyezi, dans Ouanka, quand tu le vois, c'est ce que la religion dit. Par exemple, l'amour de ton prochain. Ton prochain, quand tu le vois dans une situation de péril, la moindre des choses, l'humanisme voudrait que tu lui viennes en aide autant que faire se peut, si tu peux. C'est ce que la religion dit. Je ne suis pas un ouléma, donc je ne rentrerai pas dans certains hadiths ou des machins. Il en est de même pour la morale. La morale elle-même, en tant que règle sociale, veut que, tout à l'heure, euh, Suleiman, docteur Suleiman Karadi a parlé de la solidarité. C'est ça, les, questions de solidarité. Et pourtant, ce sont les meilleures valeurs que la colonisation ne nous a pas encore à lever, l'entraide mutuelle et la solidarité. Mais aujourd'hui, toutes ces notions, toutes ces valeurs qui nous sont propres, en tout cas au continent africain, ou au Niger en particulier, sont en train de s'étioler, elles sont en train de, disparaître. Donc, si vous me permettez, tout à l'heure, quand on parle de péril, et on dit, est-ce que le péril là ne me porte pas préjudice à moi-même oui, parce qu'il faut qu'on fasse attention. Je vous donne un cas, par exemple. Avant-hier, il y a eu l'incendie de Notre-Dame de Paris, mhm, en mhm, France. Mhm, la cathédrale. La cathédrale, dont euh, nous, compatissons nous tous. Lorsque le feu est à un certain niveau, où plus personne ne peut rentrer, il est difficile, dans ce cas, de, porter assistance. porter assistance. Parce que soi-même, ta vie, ta vie est en danger. Voilà même si je, c'est le lieu de saluer les sapeurs-pompiers parce que leur dicton, mhm. c'est sauver ou périr. Mhm. Hein? Donc je les salue au passage, mais il y a des limites. On ne peut pas aujourd'hui me taxer d'avoir euh, commis une infraction à la loi, alors que moi-même, je ne suis pas à mesure d'apporter assistance à l'autre. Je vois quelqu'un dans le fleuve en train de se noyer toi-même, tu ne sais pas nager. Je ne sais pas nager, comment je peux aller le chercher Mais là, ce que je pouvais faire, donc, c'est de crier mhm, mhm. au secours ou d'alerter. D'alerter, ou si j'ai une corde, je lui jette, mhm, ou quelque chose. La manière dont je peux l'aider, c'est selon mes capacités. Donc, c'est ça aussi la, la petite euh, nuance, nuance qu'il faudrait faire à ce niveau. Amadou Alishina Kourgaini, il n'est pas rare de voir des images choquantes de certaines personnes postées par des internautes euh, aussi euh, sans le consentement de la personne. Est-ce que la loi a prévu quelque chose à ce niveau Bien sûr. ça pose un problème de société. Aujourd'hui, la question des téléphones et surtout des réseaux sociaux. Tout à l'heure, je voudrais d'abord, il y a la question du droit à l'image que beaucoup d'internautes ignorent d'ailleurs. Aujourd'hui, on peut aller à une cérémonie de baptême ou de mariage. Rien que ça, vous allez voir les gens avec les cellulaires en train de filmer et de prendre la stance mhm. Mais moi, il se pourrait que je n'ai pas envie qu'on me filme. J'ai droit à, mon image. Si je ne suis pas d'accord, on ne peut pas me filmer. Ailleurs, c'était sur les réseaux sociaux. Et la preuve, je me rappelle une année, le parquet de Niamey a poursuivi une dame, une dame, je dis bien, euh, propriétaire euh, d'une commerçante, propriétaire d'une boutique de la place, qui avait euh, accepté qu'on filme des présumées voleuses de ses biens. Donc, c'est un traitement inhumain et dégradant qui avait été infligé à, à, ces, à ces dames bon, moi je ne saurais dire le vol est-il constitué ou pas, ça c'est une autre question. Mais l'un dans l'autre. Il y a la présomption d'innocence. il y a la présomption d'innocence. Et à supposer même qu'elles aient commis euh, euh, elle n'a pas le droit de se rendre justice en les filmant et en montrant au monde entier. Là, elle a touché à leur droit à l'image. S'ils ont commis une infraction à la loi, eh bien, c'est à la justice euh, de, s'en charger, d'enclencher une poursuite pour vol contre ces dames et de les poursuivre. Mais quand elle dit à, ses ces vigiles, il faut me les filmer, je vais montrer au monde entier, là, elle a quitté son droit et elle a empiété sur le droit de l'autre or, c'est des choses qui sont fréquentes. Quelqu'un euh, est, là par terre, il gît dans son sang, il vient d'être euh, écrasé par une voiture. Au lieu de lui porter secours, ce qui nous préoccupe le plus, c'est de créer le buzz sur les réseaux sociaux pour être le premier à avoir euh, posté ça sur sa page Facebook ou je ne sais Twitter ou Instagram ou extra je pense que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils ont galvaudé, on, a galvaudé l'usage, l'utilisation qu'on devrait faire des réseaux sociaux. Normalement, c'est pour informer à bon escient mhm. et non pas pour créer de la calomnie, pour créer des choses qui touchent à, l'intégrité morale. des gens. Il y a des images qui sont macabres qu'on ne peut pas poster sur des donc je pense que là, le gouvernement doit nécessairement agir dans ce sens pour qu'il y ait, je pense que j'ai vu, nous avons mis l'autorité euh, de l'audiovisuel euh, mhm. extra machin mhm. électronique là mhm, en place. Il est nécessaire que des mesures rigoureuses. rigoureuses euh, est-ce que c'est pas un manque de communication, un manque d'éducation citoyenne Moi, je dirais oui et non. Je dirais surtout non, Mokhtar. Pourquoi, mon frère Parce que je me dis, euh, le, comme l'a dit un penseur, le bon sens, c'est la chose la mieux partagée hankan ni si se musa te bora se abun da baka so maka ka kai ma dan uwanka mhm, mhm. donc il y a des choses c'est plus une question de libre arbitre je fais ce que je veux c'est plus ça. Aujourd'hui, toute personne euh, adulte c'est ce qui est bon et on, on peut, on, on, peut faire la distinction entre le bien et le mal. Mhm, mhm, mhm. voilà. Une dernière chose que je voudrais ajouter sur, euh, ce que Suleiman euh, Karadji a dit, oui, de très intéressant. Moi, je proposerais au gouvernement, lorsque, je sais pas si Samuel est d'accord avec moi, lorsque ou même ceux qui sont d'ailleurs ceux qui sont détenteurs du permis de conduire et ceux qui sont détenteurs du permis de conduire, nous tous ici, détenteurs du permis de conduire eux, ceux qui sont candidats au passage du permis de conduire, on doit insérer normalement, il est important de l'insérer, une formation en sécurisme. Je ne peux pas être chauffeur sans pour autant connaître les béabas. Les béabas du sécurisme. Parce qu'effectivement, lorsqu'on se retrouve euh, face à un, moi j'ai été euh, face à ça, un jour, euh, c'est une collègue, euh, on travaille ensemble, elle, était en moto et elle est, tombée, elle a, eu un choc grave au niveau de, sa tête. J'étais au travail, on m'a appelé en tant que secrétaire général, je me suis déplacé. Bon, déjà, les sapeurs-pompiers ont été informés, mais ils ne sont pas venus encore à temps. On était là désarmés, je ne sais pas, on ne sait pas quoi faire. Parce que comme l'a dit le spécialiste en, en, santé, en, urgence mhm. médicale, il y a des moments où si vous ne savez pas toucher, même la position, mhm. parce que quand ils sont arrivés, j'ai vu, euh, ils l'ont d'abord mise euh, sur le côté mhm. de manière latérale. Ensuite, euh, ils ont bougé, fait bouger sa tête. Ensuite, ils ont compté 1, 2, 3. Et c'est ensemble, dans un mouvement d'ensemble, mhm. qu'ils l'ont prise dans une position de manière à ce que ça, ne cause pas de lésions. pour la poser sur le brancard et la cheminée euh, au niveau des urgences de l'hôpital de Niamey. Et grâce à Dieu, cette bonne dame aujourd'hui est, saine et sauve. Mais ça aurait été que j'aurais eu une formation en sécurisme. Je veux, aujourd'hui, si on m'appelle, s'il y a là où <laughs> ça se fait, je voudrais bien. Ça me permettra demain d'apporter, euh, Samuel, les premiers soins. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps comme ça Monsieur le sujet, sans vous couper, il y a beaucoup de véhicules qui manquent à des boîtes Boîtes à pharmacie alors qu'ailleurs, euh, c'est exigé. C'est exigé. Soumaïla Abdou qu'est-ce qui explique euh, notre indifférence euh, lors des situations d'urgence euh, Merci beaucoup Mokhtar de m'avoir invité une fois de plus au studio Kalangou. C'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Je pense que notre société a, a beaucoup muté. Nous sommes dans ce qu'on peut appeler la société des invaleurs, c'est-à-dire en perte de valeur aujourd'hui. La solidarité et l'entraide, c'est qui nous caractérisait jadis notre société sont en train de disparaître, malheureusement. C'est pour ça, vous voyez, les gens, ils voient certaines choses, ils sont indifférents. Alors que, comme l'a dit M. le SG Kourgueni, normalement, euh, le bon sens, c'est quelque chose de, mieux partagé au monde. Si vous voyez votre frère en train de, de dans un problème, dans un pétrin, la seule chose que vous avez à faire, c'est de lui tendre la main, à la limite euh, du possible, parce que comme il l'a bien précisé, quand quelqu'un se noie et que vous, vous n'avez pas les moyens, pour nager ou bien pour sortir la personne, vous ne pouvez pas apporter secours à la personne. Mais voyez l'étiolement de ces valeurs morales, parce qu'il y a aussi les valeurs civiques. Parce que nous sommes tous des citoyens, on doit s'entraider. Et c'est d'ailleurs, moi je vais même ajouter plus, au lieu d'apprendre aux chauffeurs seulement le secourisme, il faut qu'on apprenne à tous les citoyens parce que chacun peut être euh, témoin, témoin oculaire devant sous ses yeux, ces des choses comme ça arrivent. Et quand on sait que comment le SAMU il est, il est débordé, et au Niger, on a vu le taux d'accident qu'on a dans ce pays-là, c'est extrêmement élevé. Je pense que c'est le plus élevé dans la sous-région. À chaque bout de route, vous allez voir des accidents, des voitures écrasées, des motos. Bien, vous allez voir. L'autre jour, dans mon quartier, sur la voie, c'est le week-end là. Les, les petits pousses-pousses, là, les jeunes là qui vendent de l'eau là, il y a une, une benne là qui a marché sur la tête d'un petit en plein milieu de, en plein milieu de la route parce que tout simplement ces véhicules aussi, leur situation, voyez, leur fonctionnement et tout ça là, ne sont pas vraiment en bon état, ces véhicules-là. Donc vraiment, ce que je peux dire par rapport au fait que les gens restent indifférents, c'est que maintenant, si vous regardez en termes d'éducation, même les enfants, les parents préfèrent que la télé éduque leurs enfants. Ils n'ont pas le temps de rester avec eux pour leur inculquer les valeurs. À l'école aujourd'hui, n'apprend pas aux enfants à être des responsables, peut-être même à être des grands enfants. Jusqu'à arriver à l'université, il y a des choses que les gens ne, comprennent pas grand-chose de la vie, de la vraie vie. Parce il y a la socialisation, cette valeur-là de socialisation de l'enfant ou bien de la personne qui n'est pas vraiment aujourd'hui, qui s'est fait de la même façon qu'avant. Les gens avant, ils envoyaient leurs enfants au village, il y a plein de choses que la personne apprenne. Et tout ça là, c'est parti. Et encore, la, scolarisation à l'école, c'est pas tous les enfants qui partent à l'école. L'école ne marche pas bien. Du coup, on se retrouve avec beaucoup de jeunes qui sont désœuvrés, qui sont ceci, cela. Et ce que les gens regardent dans les films, ça déshumanise. Vous voyez, ça déshumanise de telle sorte que c'est comme si c'est déjà vu. Tu as vu ça dans un film, on a fait, on a arraché, rien n'est arrivé, ou bien quelque chose comme ça. On n'essaie pas de, de choses. Notre société, vraiment, il faut que on essaie d'analyser, de voir comment on peut ramener certaines valeurs, telles que la solidarité, parce qu'elle est, elle est, extrêmement importante. On ne peut pas. Moi-même, personnellement, j'ai été victime de ce genre de choses. J'étais là, on a pris mon, mon portable, on me l'a arraché et ils sont partis. Donc, vous voyez, tout ça là, il y a des gens qui étaient là aussi. Ils n'avaient rien qui fait. Peuvent secourir, Évidemment, qui peuvent encore. Encore que c'est un matériel, ils ont pris. Ils pouvaient me mettre un couteau ou bien quelque chose comme ça. C'est arrivé dans d'autres <laughs> situations. Non, si, si, si. Donc, vous voyez, mais ce qu'il ce qu'il faut déplorer, c'est le fait que les, gens restent comme ça, euh, amorphes, ils ne font rien. Et c'est ça qu'il faut, vraiment déplorer. Soumaïl Abdoussadou, quelle attitude face à la recrudescence du phénomène de la violence et du vol en main armée Moi, je suis de ceux qui pensent que cette recrudescence-là, c'est parce que quelque part, quelqu'un a failli à ses responsabilités. Quand je dis quelqu'un a failli à sa responsabilité, dans une société où il y a la corruption, c'est-à-dire on ne donne pas aux enfants la chance d'être formés, d'être éduqués. Et c'est ça le résultat final. Est-ce que là, la faute n'est pas à la société elle-même Bon, la société, elle a des responsabilités, mais en premier lieu, il faut citer les responsables, ceux qui sont en charge. C'est à qui on a confié la destinée de la société. C'est à eux de, faire en sorte que ces jeunes, tous les jeunes puissent être scolarisés, tous les jeunes puissent avoir une chance. Regardez aujourd'hui, dans ce Niger, -là, on parle d'emploi, ceci, cela. Allez-y voir dans les chantiers là qui se font. Combien de jeunes Nigériens sont sur les chantiers Vous allez voir, c'est des expatriés. Dans le génie civil, dans les... ce sont eux qui sont là-bas en train de travailler. Pendant ce temps, les jeunes Nigériens sont là parce qu'ils n'ont pas été formés. Juste vendre de l'eau, des pousses-pousses. Non, ça ne peut pas être un emploi. Les vrais emplois sont là, dans les, constructions et autres. <coughs> donc l'État a la responsabilité de contribuer, de participer à la, formation. Au lieu que les gens puissent détourner l'argent pour pouvoir éduquer leurs enfants. Mais leurs enfants ne seront pas à l'abri de ces jeunes-là qui sont là, laissés dans la rue, à qui on n'a donné aucune chance. Donc voyez ça c'est une première réponse Maintenant, du point de vue, les parents aussi doivent s'assumer dans l'éducation de leurs enfants. Il faut que chacun éduque ses enfants. Les valeurs, les valeurs de la solidarité, du civisme et autres. Donc c'est important parce que la première cellule de l'éducation, c'est la famille. Donc lorsqu'on quitte, euh, les parents ne jouent plus leur rôle. Un enfant, c'est comme un animal, il faut le dresser. Vous voyez, si vous le laissez à lui pour qu'il puisse apprendre la rue, l'éduque, ou bien la télévision. Ça va devenir un danger, pour la société. Soumaïla Sadou, la non-assistance à personne en danger peut-elle être considérée comme un manque de solidarité Ah oui, absolument, absolument. Comme l'a dit le docteur Karagi, c'est un manque de solidarité. Et ça, ça définit aujourd'hui ce que nous sommes en train de devenir. C'est monstrueux, c'est inhumain voyez des gens en danger, on ne peut pas leur porter secours. Mais on peut filmer. Oui, on peut filmer. On a le temps pour filmer et de, montrer sur les réseaux, de mettre ça sur les réseaux sociaux pour montrer qu'on a eu une exclusivité. Alors que c'est un être humain. Il faut qu'on se, souvent, qu'on se projette dans les, qu'on se mette à la place des gens qui sont dans ces difficultés-là. Si c'est moi, est-ce que j'aurais aimé que les autres filment et c'est là où j'ai aimé ce que le, monsieur le il a dit. Parce que je ne savais pas <coughs> que, effectivement, la loi donne la possibilité à la personne de, ah de poursuivre. La oui, moi, je l'ignore. Mais, et ça, c'est carrément important. Mais bon, est-il du comme c'est souvent des gens qui sont là accidentellement, c'est pas facile de les, de les identifier parce que notre système, c'est pas là où il y a partout des caméras, donc de retrouver des gens. Mhm. Donc du coup, mais quand même, c'est déjà bien qu'on ait, que les gens, c'est quelque chose qu'il faut promouvoir. Et au-delà, moi, je pense, que certes, la CNDDH fait beaucoup de choses, mais elle n'a pas les moyens aussi de sa politique, il faut le dire. C'est clair. Parce que. <clears throat> Ça, c'est politique. Non, non, ce n'est pas politique. C'est pas politique. Parce qu'une institution comme ça qui défend les droits humains il faut lui donner les ressources nécessaires. Il faut qu'elle soit pleinement autonome. Exactement. Partout dans ce Niger-là, là où un Nigérien les droits sont violés, il faut qu'elle qu'elle sache que réellement ce qui se passe là-bas pour pouvoir, à la mesure du possible, apporter ses cours. Essayer de voir comment on va essayer de, mettre au défense de tout les droits humains pour que la personne humaine soit vraiment sacrée, comme le dit notre, notre constitution, nos textes fondamentaux. Donc, vous voyez, donc c'est en ça, la CNDH, bon, il ne peut pas faire des choses, campagne de façon générale, nationale, à l'échelle nationale, pour expliquer aux gens tout ça là. Mais c'est des choses qu'il faut faire tous les jours. Il faut qu'on informe les, citoyens sur certaines choses, le comportement adopté, ce qu'ils doivent faire. Le civisme, on doit inculquer ça au peuple. Il faut éduquer le peuple. Et c'est à travers ça, à travers leurs canaux et d'autres moyens, l'État également avec ce qu'il a comme possibilité, les médias et autres là, de pouvoir éduquer le peuple. Amadou à qui revient la responsabilité de faire comprendre aux citoyens toutes ces lois à la matière À nous tous. D'abord, euh, avant de répondre à cette question, je reviendrai un peu. Euh, il y a des choses importantes et très intéressantes que euh, mon frère euh, Samuel a dit. quand il a évoqué la question des accidents, le taux élevé des accidents de la circulation routière, et je vous invite d'ailleurs, dès la prochaine présentation du rapport sur l'état des droits humains au Niger que la Commission présente chaque année parce que c'est une obligation constitutionnelle qui est prévue dans les dispositions de l'article 44 de la Constitution qui dit qu'elle fait obligation à la Commission nationale des droits humains de présenter un rapport annuel sur les droits humains devant l'Assemblée nationale. Dans ce rapport annuel, chaque année, nous travaillons avec euh, le service euh, constat, le, ministère des Transports, pour collecter des informations sur les statistiques relatives aux accidents de la circulation routière. je peux vous dire que la pique, ça monte. Chaque année, ça ne fait que monter. Chaque année, parce que les véhicules augmentent, les, motos aussi. Les motos aussi, et l'imprudence aussi augmente. Il y a beaucoup de facteurs. Là où Samuel a raison, c'est que Niamey est l'une des capitales la plus meurtrière de l'Afrique de l'Ouest. Comparativement au Burkina ou au Mali, et nous sommes vraiment devant il y a aussi moins d'engins comparativement à ces pays-là. Il y a moins d'engins parce que allez y au Burkina, vous allez voir comment les gens circulent à moto. Mais rares sont les jours où vous allez voir des accidents ou des accidents graves. Allez-y à Cotonou, les Zem là, ou comment ils hmm, appellent Les Voilà, là. Il y en a énormément dans la ville, mais les gens sont prudents. Mais pourquoi pas nous Donc là, il y a, il y a un problème. Non, ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Un travail non seulement de sensibilisation, mais aussi de répression c'est pourquoi je profite du micro pour dire que j'invite en tout cas le ministère de la Justice, c'est une recommandation que je fais au nom de la Commission nationale des droits humains, pour que tous les cas d'accident de la circulation, c'est-à-dire blessure involontaire, c'est-à-dire euh, là c'est les cas de blessure et homicide involontaire en cas de mort d'homme, lorsque les condamnations sont prononcées contre les contrevenants, il faut tout faire pour recouvrer les amendes là. Comme ça, Borada Ma Zibara, <laughs> il a été condamné parce que c'est des condamnations avec sursis. Mhm. Une condamnation avec sursis veut dire qu'on ne va pas exécuter ça tout de suite. Mhm. J'ai été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis. Pour moi, un citoyen lambda, pour moi, une mentalité, mais il faut des droit. Mais quand on va me dire que le trésor va recouvrer 150 000 ou 200 000 francs d'amende que je dois verser ah. au trésor, là, vous réglez la Donc vraiment, ça, c'est une recommandation d'ailleurs des États généraux de la justice qui ont été formulés en 2011-2012. Donc ce serait important, ça va permettre de discipliner les gens. Quand je sais qu'on m'a collé une amende à la justice de 200 000 que je dois verser, Souba essaie de venir à tombeau ouvert sur une avenue, je, roule à 150 alors, je, je, vais faire attention. Donc maintenant, pour répondre à votre... effectivement, c'est un le processus de socialisation d'un individu, il est long. Il commence d'abord par la famille, comme l'a dit Samela. C'est la famille qui inculque les valeurs morales, éducatives à l'enfant, la religion, tout ça. Maintenant, il quitte la famille, il grandit, il vient à l'école, l'école lui apporte d'autres. La vie professionnelle, la vie de tous les jours lui apporte aussi. Voilà la somme. Aujourd'hui, quand vous regardez les dispositions de la Constitution, la Constitution du 25 novembre 2010, je ne l'ai pas malheureusement devant moi, mhm. mais je cite, il y a un passage où elle dit, le mariage et la famille constituent le socle de la société et que l'État doit préserver. les préserver. Ah. Donc, la question là que vous me posez mhm. concernant à euh, qui, revient, la sensibilisation à tout le monde comme j'ai dit donc d'abord mhm. la famille ensuite l'école et au niveau de l'école je rappelle qu'il y a dans le cadre de l'examen périodique universel du Niger l'examen périodique universel du Niger de 2016 c'est que tous les États du monde entier se réunissent et évaluent leur père, leur État, l'autre État père, par rapport à, à, son évolution, à la mise en œuvre et au respect des droits de l'homme. Le Niger a été examiné en 2016 et parmi ces recommandations, il y a une recommandation forte qui a été faite par un certain nombre de pays, si je ne me trompe pas, peut-être ça doit être le Maroc ou le Danemark, qui ont recommandé à l'État du Niger de prévoir l'éducation des droits humains en milieu scolaire c'est extrêmement important. Moi, je dis, nous sommes ouverts à la Commission nationale des droits humains pour accompagner le gouvernement parce que c'est ça notre travail. Le ministère de l'Éducation, s'il nous écoute, nous sommes ouverts. En insérant des maximes. Oui, dans le curricula, depuis la base depuis le primaire, en passant par le collège, le lycée et même l'université. De manière à ce que l'enfant, quand il commence à grandir à partir peut-être du CE2, il y a des petites règles morales des droits de l'homme qui sont insérées en une phrase, sera extra, et progressivement, on lui inculque ça et il va devenir un citoyen responsable qui est soucieux de l'avenir de son pays, du développement de son pays, qui fera attention aux deniers publics, aux biens publics, les casse, tout ce que nous voyons. Tout ça, ça participe d'un processus de socialisation. Et nous, comme j'ai dit, Samuel l'a dit, je le remercie au passage, nous faisons ce que nous pouvons. Parce que le mandat de la Commission est énorme. Les droits de l'homme sont transversaux. Aucune vie en société aujourd'hui ne peut échapper aux droits de l'homme. Prenez n'importe laquelle. Vous me parlez des entreprises, je vous dirais qu'il y a le principe du respect des droits de l'homme dans les entreprises. Vous me parlez de l'environnement, il y a le droit de l'environnement où les droits de l'homme sont là. Donc les droits de l'homme sont énormes, ils sont, partout. Et le pays est vaste. Et ça a un coût. Donc, on profite de vos micros comme ça mhm, mhm. pour sensibiliser nos frères et sœurs, pour sensibiliser nos parents, pour sensibiliser tout le monde sur le respect des droits de l'homme. Une autre chose que vous avez touchée tout à l'heure, c'était mhm. la question de la non-assistance à personne Je vais aller avec deux exemples pour illustrer. <clears throat> Ce n'est pas que je veux encourager les gens à le faire, mais c'est juste pour dire, quand on parle, il faut toujours relativiser. J'ai eu un cas quand j'étais stagiaire au tribunal de Niamey euh, en 2006-2007. Un monsieur qui avait arraché justement le sac d'une bonne dame vers le fleuve Niger. Mm, mm. Et il s'est retrouvé, il est allé dans le fleuve, le fleuve euh, jusqu'ici au niveau de, sa hanche là, et il a sorti un couteau. Il dit Borakulukanto Kwara Neo. Yachine, yachine, yachine. Il insultait les gens. Il a tenu en respect les gens pendant longtemps. Il y avait, je sais pas, une radio, une télévision de la place, je sais plus si c'était Dunia ou RTT qui avait filmé. Elle a passé ça au machin de 20h ou je sais pas c'est 20h combien. Au, niveau Au, niveau du journal. Il a <laughs> fallu l'intervention des gendarmes qui sont arrivés. Bah, je m'excuse, même eux à un moment donné d'abord ils ont eu ah du mal. Quelqu'un qui a un couteau comme ça. Donc c'est pour dire la non-assistance à personne en danger, si on ne peut pas aider l'autre, il faut qu'on appeler, alerter, alerter pour <coughs> qu'on lui vienne en aide. Deuxième exemple, c'est aussi dans la nuit, imaginez à 1h, 2h du matin, vous entendez votre voisin crier. Mhm. Aujourd'hui, c'est voleurs, je salue les efforts que fournit la police, surtout la PJ. Mhm, ils sont mhm. ex et c'est l'une des ah polices, je vous ah dire, ah la meilleure de la sous-région. Ils sont excellents, ils sont excellents. Surtout ces dernières années, ils sont irréprochables. Ils sont là, ils travaillent en civil, mais je vous assure, quand un gars est mis en place là, tôt ou tard, ils vont l'avoir. Mhm, C'est moi mhm, qui vous le dis. Mhm. Alors, vous entendez des gens crier, mais ces gens, ils viennent avec des sabres, avec des coupes-coupes. Certains même sont armés avec des armes à feu. Mhm. Tu peux sortir Tu peux pas sortir, ah mais appelle. Ah Ou fais du bruit chez toi, crier, tout le monde va crier dans le quartier, et mhm. puis voilà. Mhm. Si tu peux aider... C'est ça, alerter. Ouais, c'est ça, alerter. C'est aussi une forme d'apporter son assistance. Et comme l'a dit Samuel, c'est en restant inerte comme ça, c'est ça qui n'est pas bon. Là, il y a vraiment un manque de solidarité. Et je vais toucher une autre catégorie de nos citoyens. Et ça aussi, c'est un cas que j'ai eu et je puis vous dire, euh, cette dame, si elle, elle m'écoute, euh, je ne l'ai pas ratée. Mm-hmm, mm-hmm. Il s'agit d'une euh, infirmière dont j'ai connu du dossier quand j'étais attractivité mhm. au tribunal de Niamey. La non-assistance à personne en danger, c'est aussi envers les agents médicaux. Je veux mhm. parler ah du personnel médical. Ah, le personnel soignant. Madame la soignant, euh, dans son ensemble. La non-assistance à personne en danger, c'est surtout vers chez eux aussi. Ah, Parce qu'aujourd'hui, quand il y a accident euh, de circulation, dès qu'on amène la personne aux urgences, il faut nos casiers, nos hauts. <laughs> Quoi, je suis Donc, ça veut dire que c'est comme si, bon, c'est un inconscient, il est allé se faire euh, mhm. euh, euh fracturer. Ah Donc, de le jeter là-bas, c'est son sort. Non. Là où il est, il doit être en train de regretter ce qu'il a fait. Quelle que soit l'imprudence qu'il a commise, il a besoin de soins urgents. Et on ne peut pas l'abandonner là-bas. Et là aussi, un appel que je lance, c'est que souvent au niveau des services des urgences, il manque du personnel suffisant et il manque du matériel suffisant. Parce que la vie, là, ne tient qu'à un fil. Il suffit d'un temps précieux. Chaque minute, chaque seconde compte. Quand il n'y a pas de. précieux, il est précieux. Moi, je m'apprésentirai beaucoup plus parce que quand on parle de non-assistance à personne mhm. c'est surtout le comportement, mhm. la question comportementale du personnel. Le fait, par exemple, pour eux, et c'est là-bas, surtout chez eux, parce que la question du manque de l'accueil, c'est important, l'accueil là. Et ça, on reproche ça tout le temps je, ne suis pas en train de faire un procès mhm, mhm. à mes frères de la santé, mais on leur reproche l'accueil le, là. Le, mauvais accueil. Le mauvais accueil. Et ça fait partie dans l'urgence. Quand quelqu'un vient, il est déboussolé, il a amené un, malade, mais j'ai un de vos amis, un journaliste qui il a eu un accident, mais on les a amenés aux urgences, lui, et un cadavre posé devant lui, à côté de lui. Ses parents ont, fait du bruit. Ils disent, mais comment L'autre est mort et vous les avez laissés côte à côte comme ça pendant des heures. Comme ça. Donc, il y a ces genres de choses qu'il faut corriger. Et là, je pense que ce n'est pas à l'État. L'État doit sanctionner lui, mais c'est à nous. La société. La société en tant que <clears throat> professionnel, en tant que citoyen. D'imposer des nouveaux comportements, de, des nouveaux comportements. De me dire, j'ai été formé pour ça, je dois faire mon travail à mon âme et conscience parce qu'il y a une éthique. Dans chaque travail, en journalisme, il y a une éthique. En médecine, il y a une éthique. En droit, il y a une éthique. En sociologie, il y a une éthique. Dans tous les domaines d'activité. Il y a une éthique. Et il faut respecter cette éthique. Ah, comment faire pour euh, rectifier le tir Je pense qu'il a il a pratiquement tout dit. Hein. <laughs> Ah euh, il a pratiquement tout dit. D'abord, ce que j'aimerais ajouter, de l'avis de certains observateurs, si on veut avoir une idée sur l'état mental d'une population, l'un des meilleurs indicateurs, par exemple, c'est le comportement des automobilistes. Et quand on voit aujourd'hui comment les gens se, se, comportent dans la circulation, on peut comprendre que les Nigériens, c'est quelqu'un vraiment en termes de patience, parce que ça manque beaucoup aux gens. Tout le monde est pressé euh, en, termes de solidarité parce que il faut d'abord souvent laisser les gens qui sont en difficulté qu'ils passent. Parce que souvent, vous allez voir des gens qui sont en difficulté, ils attendent. Il n'est pas rare de constater au niveau de la circulation, même les ambulances auront du mal à se frayer un chemin, dans la plupart des cas. Exactement. Donc, voyez, c'est ça qui traduit le, le type de Nigérien qu'on a aujourd'hui. Donc, pour essayer de rectifier le tir, comme vous l'avez dit, c'est par l'éducation citoyenne, comme on l'a déjà dit et comme il l'a dit, la famille doit jouer un rôle important. On a déjà dit on ne va pas, et on ne se fatigue pas de ressasser cela. L'État doit faire et la société dans son ensemble doit essayer de faire comment. Parce que c'est pas seulement au Niger qu'il y a les voitures. Ailleurs, il y a des voitures plus que nous. Mais pourquoi, bon sang, c'est chez nous qu'il y a beaucoup d'accidents Pourquoi chez nous, on ne peut pas aussi porter secours à quelqu'un Que ce soit en matière d'accident ou bien en matière de vol que les gens voient, euh, les pickpockets et autres là, que les gens voient régulièrement dans la, dans la ville de Niamey et dans les grandes villes aussi. Vous voyez, maintenant, il y a trop d'exodes. Il y a beaucoup d'exodes rurales. Parce que le milieu rural est en train de se vider suite à ce qu'il faut dire l'injustice sociale. Parce que c'est les, responsables qui font en sorte que aujourd'hui on montre à la télé Niamey, Niala, Niamey c'est bon, tout marche bien, c'est impeccable, c'est le paradis. Mais le villageois qui est là-bas, il voit que la richesse n'arrive pas à son niveau il n'a pas les mêmes chances. Il va essayer de venir en ville. Ce qui fait qu'il y a tellement de mendiants, il y a tellement de gens qui viennent en ville et ils, se font, ils sont coincés ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont rien appris et il faut qu'ils vivent. Donc du coup, bon, ils trouvent tout ça comme moyen, comme exitoire pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir vivre dans la vie. Donc c'est pour ça l'État a l'obligation de donner la chance à tous les citoyens, peu importe là où ils soient. C'est pas seulement Niamey qu'il faut faire des investissements. Donc vous voulez dire que la cause c'est la précarité ambiante. L'injustice sociale, parce que les, gens de la ville sont plus favorisés que les gens de la campagne. Il faut les reconnaître en termes d'éducation, en termes d'infrastructure, en termes de, de santé, et ils ont tout savez qu'il y a, même en termes de loisirs, tout, sur tous les plans. C'est au niveau de la ville qu'il y a ça. Donc les villages, on les abandonne à eux-mêmes. Du coup, la, les villageois c'est divers. Quand c'est divers, vous venez en ville, vous n'avez pas les moyens de vous. De se prendre en charge. De se prendre en charge. Parce que la vie en ville, c'est un coup. Vous voyez Donc il faut trouver un moyen pour pouvoir vivre. Et c'est malheureusement cette euh, voie que certains ont choisi de voler les gens, de les arracher, de faire du gangsterisme. Et un aspect qu'il ne faut pas oublier, souvent les gens, ils entendent des voisins, mais ils ont peur des, représailles. Oui, ils ont peur des représailles. Vous pouvez crier, mais eux, ils veulent dire que, ah, ceci, cela. là voyez, à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle les mbanga, qui circulent, mais c'est vrai, c'est une dégradation, ce qu'on fait de la personne humaine. Mais quand même, moi, je pense que les Burkinabés, c'est maintenant qu'ils sont en train d'expérimenter ça. C'est que nous, nous, on a fait depuis les années 90. Oui, ils appellent ça Kogul, oui, quelque chose comme ça. Donc, <laughs> c'est maintenant qu'ils sont en train d'expérimenter ça. Mais c'est des choses qui font partie de nos mœurs. Parce qu'un voleur, c'est quelqu'un qui n'a pas d'humanisme. Donc, euh, je pense que si on exhibe, ça peut décourager certains à, ne pas aussi emprunter les mêmes chemins pour ne pas se retrouver. violation des droits de l'homme. Oui, je sais. <laughs> j'ai même bien fait de préciser au début que c'est une dégradation. Mais quand même, il faut, il faut ça reconnaître. ça a des vertus. Il faut les reconnaître. <laughs> Amadou Ali Kougeni, avant, c'était seulement à la télévision qu'on découvre certaines scènes de violence. Mais aujourd'hui, le phénomène est présent partout au Niger. Quels sont les défis du Niger en matière d'aller et revenir avant de répondre à ça, Mokhtar a touché la question, je suis d'accord avec lui sur euh, la question de Mbanga. En fait, mhm. il faut que nous repensions. Mhm. Je dis bien, il faut repenser. Revenir à fondamentaux. Oui, aux fondamentaux. Il faut repenser euh, notre gouvernance de la sécurité. Mhm. Et là, c'est un appel que je lance. Ils sont en train de le faire certainement. Il faut repenser ça dans le sens où, aujourd'hui, les défis sécuritaires d'antan, d'avant, de 1960, de 90, ne sont plus les mêmes que ceux d'aujourd'hui. L'avantage des Mbanga, c'est que leur problème, il fallait juste, moi c'est mon, mon opinion personnelle, elle peut être contestable, il fallait juste les encadrer, les problèmes des droits de l'homme que ça posait à l'époque parce que vous les voyez avec leur goudrin, mhm. ils prennent un voleur, ça touche à la présomption d'innocence, ils le, le tabassent, le ils, le, mettent nu, ils l'attachent, etc. Ça, c'est des traitements inhumains et dégradants. C'est ça là qu'il fallait corriger. Mhm. Il faut les mettre sous la coupe de la police ou de la gendarmerie, selon que nous soyons en rase campagne pour la gendarmerie ou en milieu urbain pour la police. Ce serait bien. Pourquoi Parce que aujourd'hui, au regard des défis sécuritaires qui sont énormes, L'État fournit ses efforts, mais ça ne suffit pas. L'État à lui seul ne, ne, peut, pas. peut pas. Il faut l'apport de nous tous. Et ça, il faut mettre à contribution les chefs de quartier, les chefs de canton, les chefs de village, de groupement, de tribu, tout le monde. La jeunesse. La jeunesse, tout le monde. C'est un mouvement d'ensemble qu'il faudrait créer pour ça. Parce qu'à l'époque, comme il a dit, mais euh, les, les Mbanga, quand vous les voyez, vous êtes tranquille. Ah oui. Euh, c'est eux-mêmes qui vont vous raccompagner jusqu'à la maison. Mmh, mmh, mmh. Ou bien ils sont du quartier. Ah, filan Samel no, oh, no, manu ni Ah, veillage donne to Et par mois, ils collectent euh, le matin 100 francs, 100 francs. C'est quand même insignifiant par rapport à la sécurité. Oui, à la sécurité, mais quand on, ils collectent ça, eux-mêmes, ça leur crée de l'emploi. Donc je dis, il faut repenser ça. Il faut revoir le bon côté de ça et le gouvernement prend ça, et le mauvais côté qu'il y a dans, dans les trucs de on abandonne aussi. Mais depuis qu'ils ont, ont cessé. il y a des recrutements qui sont faits en, masse au niveau des forces de défense et de sécurité. Mais je vous dis, ça ne suffit pas. Pourquoi Parce que le Niger fait 1 267 000 km. Et surtout que les Mbangala, ils connaissent tout le monde. Ils connaissent tout le monde. Mhm. Les gens se connaissent. voilà, Donc la question de la sécurité intérieure du pays je ne dis pas de la défense du territoire qui, est au niveau des frontières, la question de la sécurité intérieure. Aujourd'hui, le quartier Kouarakano, ici, là où nous sommes, quel que soit le nombre de policiers que vous allez amener, si vous voulez le sécuriser, mais ça veut dire que vous allez abandonner d'autres quartiers. Ah oui. Parce que le Niger est vaste. Mhm. Donc, essayons la ville aussi grandit. Ah, la ville aussi grandit. Essayons de voir quels sont les avantages qu'on peut retrouver dans ce phénomène de de Mbanga, quitte à ce que, que ça soit réhabilité et qu'il qu'il rende compte à une unité de police ou de gendarmerie, qu'il soit contrôlé dans ce qu'ils font, qu'ils ne commettent pas de violations des droits de l'homme. Mhm. Mais je pense qu'on aurait gagné dans ce sens. Ah là. quels sont vos conseils ou recommandations, comment le SG vient de le faire, pour une meilleure assistance aux personnes en danger au Niger Avant de répondre à votre question, j'aimerais ajouter ceci. Cette affaire de Mbanga, c'est une illustration de la solidarité de notre peuple parce que c'est des jeunes qui sont engagés au nom de la communauté pour défendre euh, leur quartier, une zone de, leur pays. C'est pas rien, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas. L'engagement citoyen, mm. effectivement. Parce que l'État ne peut pas placer comme il l'a dit, des Derrière de Alors que c'est des jeunes volontaires qui sont là, qui sont organisés. Il faut bien qu'on repense à ça, dans le respect de la dignité humaine. Quand on compte de ça, c'est pas la peine d'exhiber la personne comme un, un butin, <laughs> exactement, voyez, à circuler avec une corde attachée. Non, ça, on peut s'en départir. Mais la, le truc de la sécurité, oui, la, sécurité, l'aspect sécuritaire ne doit pas euh, mm-hmm. occulter exactement. Donc c'est ça. Mais à titre de recommandation, ce mm-hmm. que j'aimerais dire, c'est que chaque Nigérien doit veiller sur chaque Nigérien. On doit veiller sur, c'est-à-dire que ça soit mon voisin, que je sois son voisin, que mon voisin soit mon voisin, son voisin. Il faut qu'on sait. Aujourd'hui, si vous regardez et cette solidarité, même la mosquée où les gens se, rencontrent, hein. se retrouvent, chacun fait sa mosquée devant, hein. chez lui, pour ne pas aller. Ouais, du coup, et même les cérémonies que les gens font, les baptêmes, les fatias et autres, les gens sont en train de vouloir élaguer tout ça là. Tout est en train de partir. Il faut qu'on se pose la question, où est-ce qu'on va Deux types de secours peuvent intervenir, agir personnellement et ou provoquer un secours extérieur. L'agent est tenu de faire personnellement tout ce qu'il peut faire. Cet élément s'apprécie concrètement en fonction des moyens personnels euh, de chacun. Et nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Amadou Alishina Kourgeni, magistrat et secrétaire général de la Commission nationale des droits humains. Et Soumaïla Abdou administrateur civil et enseignant, nous avons également invité un sociologue, mais malheureusement, pour des soucis de santé, il n'a pas été avec nous dans ce studio. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 38 radios partenaires. Merci, au revoir.